mi bëgga liggéeyal diine yi lislaam xanaa xamoo sàkku yu seen liggéey mi bëgga taxawu doomu aadama xanaa xamoo sàkku yu seen liggéey ba rëy na bitim réew yal nañu am ñi ngi soog a door liggéey bi nga xam ne li ko tax a ñëw fii ci dëkk bi mooy Euh, may leen benn teen jàppalante ak ñoom su ko defee ñu am loo xamante ne dina mën a soqali seen wàllu dund ndax ñu ñëpp xam nañ ne ndox mbir la mu nit mënta ñàkk ci anam bu mu mënti doon nit dafay soxla ndox yàlla dogal suñu ay partenaires yu nekk bitim réew ñoo xam ne ñoom it def nañ fi ay teen yu bëri fii ci Sénégal ñoom ñoo financé teen bi ñoom ñoo ñu jox xaalis ñu nañ defal dëkk bi maanaam teen kon nag dana jaadu ñu ñëw. c'était vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une euh, journée de fierté fierté parce que euh, on a beaucoup on a fait beaucoup de demandes on a fait beaucoup de demandes parce que figurez-vous que nous nous sommes c'est un, nouveau quartier quoi le, voilà voilà avec l'extension toutes les maisons que vous voyez sont de nouvelles maisons. Après, encore derrière aussi, il y a au moins 3-4 maisons qui doivent être euh, installées. Donc, par rapport à ça, on est un peu loin de, l'eau. Il y a l'eau de robinet, mais ce n'est pas encore arrivé ici. On a toujours sollicité que nous ayons un, puits moderne nous permettant vraiment d'avoir de l'eau à tout moment. Dieu a fait que c'est aujourd'hui que c'est réalisé. On peut vous dire que vraiment que nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits. C'est une ancienne doléance qui a duré au moins pendant des années. Parce qu'un nouveau quartier, quand il s'installe, d'abord il a besoin de l'eau. Alors si l'eau, si, vraiment si on, a paru à avoir un puits ici, c'est pour tout le quartier on voudrait qu'aujourd'hui, que vraiment que le travail soit, soit vite fait, et sans relâche. Alors vraiment, celui qui te donne le lot, je crois qu'il t'a tout donné. Nous, vraiment, on, peut, on ne peut que se réjouir et on est satisfait. Qu'ils sachent que vraiment, ils nous ont fait, en tout cas, c'est une, comment on l'appelle, c'est une épine qu'ils ont sorti du de, de, de, de, pied, quoi. Ouais, ouais, vraiment. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm te li ngeen def nii baax na torop neex nañu ñu ngeen arrangé li ngeen def na ndax ñun léegi moom dañoo noppalu jege nga kii kii teen bi yàlla yàlla mu neex rek teen bu neexee ñu ngi koy sorontuñu dara sonatuñu bu ñu tegee suñu cin ñu dem root boo buggee sangu nga dem root soo jógee si faro bi nga dem root dootoo taajati ndox si si néeg bi loolu moom moom baax na mais neen naa dëgg fu ñuy jëlee ndox teen bali dafa sori foofu la ñuy yendu bu ñu sonnee rek ñu toog nga bàyyi ba ëllëg bi nga doog a eggal waaye léegi moom soratu même goudi sax mën nga root fu mu nekk ni même boo nelawee da ngay tëdd nelaw ba ci yàgg nga yeewu nga dem nga nga dem si teen bi loolu moom baax na maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jërëjëf ok merci. Salam salaamaaleykum donateur de Au Pain et Sourire donc on est à Guindir ici en Casamance pour ce puits donc euh, GFR qui a commencé à quelques jours. Le sol est hyper rocheux comme vous pouvez le voir là-bas. Il y a vraiment de, gros rochers qui sortent. Quand ils les sortent, ils les écrasent pour les sortir. Donc, ce qui fait que le travail prend un petit peu plus de temps que s'il s'agissait d'un sol normal. Normalement, donc, avec le ramadan qui arrive, en plein ramadan, Inch'Allah, ces villageois pourront puiser de l'eau de ces puits. Et Inch'Allah, donc, ce donateur qui a bien fait de financer ces puits, Inch'Allah, aura cette récompense d'abreuvoir des gens qui coupent leur ramadan et aussi tout le bétail qui y a là là, on va revenir ici pour réceptionner ces puits. En attendant, comme on a dit, on souhaite que pour ce ramadan, Inch'Allah, déjà que ce puits puisse être euh, une source d'eau par laquelle, Inch'Allah, ces jeunes de ces villages vont couper.